Nous nous sommes réunis ici euh, dans le cadre de la, grande majorité présidentielle euh, élargie aux forces vives pour vraiment euh, déclarer et soutenir la candidature du président Souleymane Doy, qui est une candidature naturelle parce qu'il a été là depuis le début, depuis l'opposition, depuis que l'Alliance pour la République a été dans l'opposition en 2009, 2010, 2011 et 2012. Il est venu booster le parti. Et là, nous en sommes témoins, nous en tant que jeunesse républicaine. On a été coordinateur de la coordination des jeunesses républicaines depuis 2009 et on a vu l'apport qu'il a eu à avoir dans le cadre de cette coalition-là. Et il n'a pas cessé depuis lors de mener des activités sur le terrain pendant 10 ans. Donc il a été présent, il est là. Donc nous, c'est nous que nous, c'est lui que nous connaissons et c'est lui que nous avons choisi pour porter le flambeau de la grande coalition pour briguer la mairie de Rufisque. Une candidature légitime et naturelle. Nous, je veux préciser que nous ne sommes pas dans des, dans des invectives ou bien dans des querelles de bonne fontaine. Nous notre, candidat, il est légitime et son charisme et son leadership est naturel au niveau de Rufisque. Si vous regardez bien, c'est lui seul que, que, que, que, que que euh, co-militants euh, euh, attaquent. Lui, il est dans son, dans son coin, il est en train de travailler pour Rufisque. Tout Rufisque est témoin de ce qu'il est en train de faire. pas, plus tard qu'hier, il, a, fait beaucoup de motopompes pour les populations rufisquoises qui sont un peu dans, l'eau. Donc lui, il est, il, dans des actions concrètes. Il n'est pas dans, dans les invectives, etc. Donc on dit que dans la forêt, l'arbre qui coule fait beaucoup de bruit. L'arbre qui tombe, il fait beaucoup de bruit. Mais la forêt qui pousse, pousse lentement mais sûrement. Lui, il est dans ça. Notre coalition, donc, naturellement, avons choisi le président Souleymane comme candidat à la ville de Rufisque. déclaration bi Deftei. déclaration le bord Ministre de ñun coalition Benno Bokk

lu ñu war dox wax ko wala ñu tëral ko ci suñu biir jëmale ko ci bopam en tant que ko xamné dafa bok ci biir kuréel gi ñu sét ñu jëlal ko suñu bop présenter sa candidature te xamuñu sax candidature bi nga xamanteni présenter nañ ko ëlëk mom tontom nous sommes sûrs nous sommes pas sûrs mais ëlëk gannaaw ëlëk daal lepp lo xamni lu ci wara a leer la joggé ci mom mom dina ko leral inshallah wax da ngay xam lu ko taxo juk wax am ci deg deg amna solo trop Souleymane mais ville bi xam nañ ni kom komu askan wi moy dem ci ville bi administrativement Souleymane masul wax ni ville bi nañu ko fi jele administrativement je dis mais dañ fo bëgg wax ne kom kom bi xamne day jóge ci. fenen di dugg ci ville bi mais dafa wala delu wat ci askan wi askan wi jariñoo wa wa gox yi aussi jariñoo ko voilà ce qu'il a voulu dire mais administrativement il n'a jamais dit que ne dañ fay dindi ville bi waye nak buñ la denké courel courel gogo koom di fa dugg koom ba fay dugg da nga ko war a delloowaat askan wi voilà ce qu'il a voulu dire